Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière. Je voudrais que nous parlons à Dieu en ce moment. Qu'il inspire sa parole pour parler à ton cœur et parler à ton esprit où la bouche est prise. Dieu Seigneur, inspire ta parole et touche ma vie. Parle à mes besoins. Parle au Seigneur pour que tu puisses focaliser ton attention sur les choses célestes. Et que les choses terrestres perdent de valeur à tes yeux. Parle au Seigneur de t'aider à te concentrer sur les choses d'en haut pour que Jésus devienne ta portion pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour le pain de vie que tu nous donnes depuis que nous sommes venus et l'eau de vie que nous buvons du rocher. Merci pour l'exposition de ta parole par ton serviteur et par les autres serviteurs et ministres. Nous prions comme nous venons à ta parole une fois encore. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos esprits pour comprendre. Pour qu'à la fin de ce message, que tu nous, nous attires de ce monde pour que notre concentration soit sur le ciel au nom de Jésus. Inspire ta parole pour parler à chacun de nous. Ceux qui sont connectés de par le monde, je prie que tu bénisses chacun et que tu conduis chacun à la terre plus haute. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons la parole de Dieu intitulée Les regards vers le ciel en des temps difficiles. Les regards vers le ciel en des temps difficiles. En Hébreu 11, verset 36. Hébreu 11, verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Oui, pour eux, c'était des choses difficiles à cause des choses qu'ils ont dû endurer. Voyons le verset 13 du même chapitre. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ce qui va vous aider à vivre dans ce monde. Et même si vous êtes là, votre esprit n'est pas ici-bas. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une meilleure cité, meilleure que l'Amérique, une cité meilleure, meilleure que Londres, une cité meilleure, meilleure que la Chine, une meilleure cité, cité meilleure que tout autre pays du monde, une meilleure cité, meilleure que New York. Aidez, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous savez, votre regard, c'est votre concentration. Votre regard, c'est votre concentration. Si vous regardez plus aux choses terrestres, votre concentration sera sur la terre et sur les choses terrestres. Si vous regardez plus les choses terrestres, votre passion, votre préoccupation sera sur les choses terrestres. Mais si vous centrez votre affection, votre désir, votre, votre passion, votre aspiration sur les choses célestes, alors votre préoccupation sera sur les choses célestes. Vous perdrez concentration, vous perdrez l'attention des choses terrestres, des plaisirs terrestres, des épreuves terrestres ne vous seront rien et les problèmes terrestres perdront de valeur. Si votre concentration est sur le ciel, les choses terrestres perdront de valeur jusqu'à... C'est comme un pilote qui fait voler l'avion. Plus il monte en altitude, plus l'immeuble plus grand et levé de la terre devient plus petit parce qu'il monte en altitude ils volent plus dans loin de ce monde. La même chose est applicable spirituellement. Quand vous allez plus haut avec Dieu, les choses terrestres deviennent plus petites à vos yeux. Et quand vous allez plus haut avec Dieu, les choses mondaines de cette vie ne sont plus rien pour vous. Vous pouvez laisser passer et servir Dieu. Vous pouvez laisser passer et vivre pour Dieu. Et quand, quand il y a des épreuves, quand il y a des tentations, quand il y a des problèmes, quand il y a des tribulations, quand il y a des terreurs, quand il y a des tortures, même dans votre vie, elles vont toujours se transformer en témoignage parce que vous avez le regard vers le ciel. Quand vous avez le regard vers le ciel, vous êtes libéré des soucis. Vous savez, quand vous regardez vers le ciel, vous êtes libéré des soucis. Vous êtes libéré des, des errances, vous êtes libérés. Car tous ceux dont l'attention est focalisée sur le ciel, ils sont libres de la mondanité. Ils sont libres de tout, de tout gaspillage. Ils sont libres de la méchanceté parce qu'ils savent qu'à tout moment, cette vie brève passera. Et si je suis méchant, et que cette vie brève passe, où passerai-je mon éternité Alors si vous avez les regards vers le ciel, vous pouvez abandonner toute chose, à cause de Christ. Vous n'allez pas avoir une attitude de faire ou mourir. Vous pouvez tout abandonner dans ce monde à cause de Christ. Mais quand votre attention est ici sur la terre, vous allez paniquer, vous aurez peur, vous allez, vous allez chanceler et tituber, parce que votre attention est sur les choses de cette vie. Rien ne soutient votre homme intérieur. Rien ne maintient votre homme intérieur ferme. Rien ne retient votre cœur. Vous serez frustré. Vous allez échouer vous allez même combattre, lutter pour les choses temporaires de ce monde. Et vous, allez, vous aurez même du mal à laisser passer ces choses en réalité. Vous serez furieux parce que votre attention est centrée sur les choses terrestres. Et à la fin de tout, en tant que croyant, en tant que ministre, vous serez faible parce que personne, personne qui subit ces maux dont je viens de faire mention ne peut être fort dans la foi. Vous serez affaibli et très bientôt, vous allez perdre d'équilibre. De cette manière, vous serez oublié. Je prie que cela, vous ne soyez jamais oublié en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu et en tant que ministre de Dieu, au nom de Jésus. Hébreu 12, verset 1er. Hébreu 12, Lisons à partir du verset, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus, les regards vers le ciel, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de, de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Comment pouvez-vous en souffrir la croix À moins que vous n'ayez les regards sur le ciel. Comment pouvez-vous endurer la persécution à moins que votre attention ne soit fixée sur le ciel Comment pouvez-vous souffrir sans rétrograder à moins que votre attention ne soit fixée sur le ciel. Lorsque vous avez les regards, vous avez les regards sur Dieu et sur Jésus et que votre attention est fixée sur le ciel, quelque chose qui vient, quelque chose qui s'en va, tout va bien. Parce que vous savez qu'un jour, vous abandonnerez toute chose sur la terre. Et voilà pourquoi dans le verset 3, on nous dit, considérez en effet celui qui a supporté comme sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous, ne lassiez point l'âme découragée. Nous allons considérer ce message en trois points. Premier point, la description des périodes de troubles ou difficiles. La description des périodes de troubles. Nous devons savoir ce que nous sous-entendons des temps difficiles ou des temps de troubles. Deuxième point, nous verrons la déviation à cause des problèmes temporaires. Certaines personnes dévient, certaines, personnes abandonnent, certaines personnes diminuent, certaines, certaines personnes chancellent, il y en a qui descendent jusqu'à ce qu'ils décampent du camp des enfants de Dieu. De telles personnes dévient à cause des problèmes temporaires. Et le troisième point, nous verrons la domination des pèlerins triomphants. La domination des pèlerins triomphants. Vous allez triompher. J'ai dit, vous allez triompher. Voyons le premier point. Premier point, nous voyons la description des temps difficiles, des temps, des périodes de troubles. La description des période difficile. 2 Timothée 3, verset 1er. Sachez que dans les, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Il y aura des temps dangereux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, quand vous voyez toutes ces choses se manifester dans ces derniers jours, ce sont des signes qui vous montrent que nous vivons dans des temps de troubles, des temps difficiles. Les gens sont égocentriques. Les gens sont orgueilleux. Ils ne sont plus humbles. Les gens utilisent leur, leur cœur, leurs mains, leur bouche pour blasphémer le Père céleste. Les gens sont rebelles à leurs parents et rebelles au leadership. Ils sont rebelles aux autorités constituées et ils deviennent des, des ingrats irréligieux. Ils méprisent ceux-là et ils sont des ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des de bien, traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, puisque Dieu est l'apparent de la piété, mais reniant ceux qui en fait la, la force. Éloigne-toi, dit la Bible, de ces hommes-là n'ait aucune communion avec eux. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Au nom de l'adoration, au nom de la chrétienté, verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès, Janès et Jambres s'opposaient à Moïse dans ces temps difficiles, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Sous ce point, il y a trois éléments. Premièrement, les temps difficiles dans la prophétie. Ça n'arrive pas par accident. Les temps difficiles de troubles dans la prophétie. Ça a été prophétisé. Deuxième élément, les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Troisièmement, se confier à Dieu pour le triomphe par ses promesses. Par ses promesses, peu importe les temps difficiles, nous allons triompher au nom de Jésus. Alors, premièrement, c'est les temps difficiles dans la prophétie. En Matthieu 24, Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, les temps difficiles, plusieurs viendront en mon nom. Je suis Christ et ils se diront plusieurs, les temps difficiles. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, les temps difficiles. Ne vous laissez pas troubler car toutes ces choses vont arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se lèvera comme une nation. Tout cela se passe déjà. Nous n'attendons plus aucun autre signe. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, de la faim et des tremblements de terre, des maladies incurables en divers lieux tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez raïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous dire, même ce que nous faisons maintenant accomplit le verset 14. Le JCK accomplit le verset 14. Et Jésus reviendra bientôt. Il n'y a jamais un moment pareil dans l'histoire où l'évangile est retransmis à tous les continents du monde au même moment, à la même heure, à la même minute, et il nous écoutent par le monde et même à des endroits. Toutes les langues sont représentées dans le royaume de Dieu. Vous avez dans certains pays quand vous dites, personne ne peut prêcher ici mais il y, a des, il y a des autochtones qui ont été convertis et qui adorent Dieu sous les coins, les églises souterraines. Ce n'est pas que nous allons prêcher l'évangile à tout être humain des 8 milliards du monde avant que Jésus ne vienne. Ce n'est pas possible. Nous allons prêcher l'évangile, à tout le monde entier. Ce n'est pas à tout individu, les êtres humains, mais à toutes les nations comme nous sommes connectés pour la croisade mondiale dans toutes les nations. Ils écoutent l'évangile déjà. Si vous n'êtes pas encore prêt pour le retour du Seigneur, ce serait trop tard. Alors préparez-vous car la trompette va sonner bientôt. Deuxième élément, les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves les... ne sont pas pour nous détruire, mais c'est pour nous bâtir. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous préparer. C'est pourquoi les élèves intelligents n'ont pas peur des tests, n'ont pas peur des épreuves, n'ont pas peur des examens. Ils se préparent, ils sont prêts à faire face aux examens avec confiance. Et c'est ce que, c'est pour ça Dieu est en train de nous partir, pour que quelque chose qui se passe, quelque chose qui se viendra, nous serons prêts à faire face aux épreuves avec confiance. Nous sommes prêts à faire face aux tentations avec confiance. Nous sommes prêts à faire face à tous les problèmes de la vie avec confiance. Parce que nous avons le regard vers le ciel, nous ne devons pas être distraits par ces problèmes du monde. C'est dans le spirituel que vous ne devez pas avoir peur de ce que le diable envoie. En 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme des choses étranges qui vous arrivent, ne prenez pas comme étrange. Ah, pour moi, c'est plus que pour les autres du monde. Ce que j'ai entendu, personne d'autre n'a entendu ça. Hein. Comme c'était comme d'une chose étrange qui vous arrive. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Un Pierre un pied Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur de ces épreuves et de ces tests qui viennent troisième élément, se confier à Dieu ou la foi en Dieu pour le triomphe pas ses promesses. Se confier à Dieu pour le triomphe pas ses promesses. En Isaïe 43, verset 1er, 43, 1. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Dis à ton frère, ne crains rien. Et dis, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Peu importe ce que tu as enduit dans ce monde, concentre ton attention sur les promesses de Dieu. Il y a assez de promesses pour nous dans la Bible, pour nous préserver, pour nous garder et nous conserver, et pour nous aider à tenir solide, ferme, sur le roc solide, jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Deuxième point, la déviation à cause des problèmes temporaires, la déviation, à cause des problèmes temporaires. En 1 Timothée au chapitre 4, lisons ici le verset 1 1 Timothée chapitre 4, lisons ici le verset 1 Mais l'Esprit dit expressément, clairement, sans ambiguïté. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns, Dieu merci, ce n'est pas tout le monde, mais quelques-uns abandonneront la foi. quelques-uns qui ont des pensées mondaines abandonneront la foi. Certains, quelques-uns qui n'ont pas de conviction abandonneront la foi. Quelques-uns qui sont mariés au monde abandonneront la foi. Quelques-uns qui ont l'amour de l'argent abandonneront la foi. Quelques-uns qui sont dans l'immoralité abandonneront la foi. Quelques-uns qui veulent utiliser la puissance fétiche pour faire croître leur Église abandonneront la foi. Quelques-uns qui ne peuvent pas supporter les difficultés comme de bons soldats de Christ abandonneront la foi. Et quelques-uns qui n'ont pas n'ont aucun témoignage d'expérience authentique de la sainteté, de la sanctification. Ils ne pourront résister au test du temps. Ils abandonneront la foi. Voilà pourquoi il dit, et quand ils abandonneront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ministre de Dieu, retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Les doctrines des hommes vont nous décevoir. Les traditions des hommes vont nous décevoir. Les superstitions des hommes vont nous décevoir. Parce que ce qui se passe dans l'église moderne et dans nos temps modernes aujourd'hui, si nous ne retournons pas la Bible, plusieurs rateront au dernier jour. Et voilà pourquoi plusieurs s'attachant aux excuses séducteurs des doctrines de démons pas l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous savez pourquoi les gens dévient Ils s'en vont quand il y a des vies, il diminue. Quand quelqu'un dévie, il diminue. Quand quelqu'un dévie, il déraille du chemin de la vie. Quand quelqu'un s'en va et dévie, il descend. Il s'engage sur le chemin large, spacieux. Si rien n'est fait, va à la damnation. Je prie que cela ne soit pas toi au nom de Jésus. Trois éléments rapidement. Premièrement, la tiédeur et la perte de concentration. La tiédeur et la perte de concentration. Deuxièmement, regarder en arrière et abandonner la foi. Regarder en arrière pour abandonner la foi. Troisième élément, perdre l'éternité. Perdre l'éternité du Seigneur pour toujours. Premier élément, la tiédeur et la perte de concentration. En Matthieu 24, à partir du verset, 13, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché va augmenter, l'iniquité va augmenter. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je prie que tu ne fasses pas partie de ces gens. Sois parmi le peu, dont l'amour ne refroidit pas peu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont sur le chemin spacieux et peu elles sont sur le chemin étroit. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand ne se refroidira. Apocalypse 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Certains sont comme ça, ni dedans ni au dehors. Ni pieux ni impie. Ni pieux ni impie. Vous n'êtes pas pieux. Vous êtes impie. Vous êtes pieux. Vous ne pouvez pas être impie. Et moi, Jésus essaie de corriger les tromperie. Il pense... pourront s'en sortir. Verset 14. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de place pour la tiède dans la maison de Dieu. Si tu veux être un croyant, sois un croyant. Quand il était plus jeune, les gens disent si tu veux manger cette viande, je ne veux pas mentionner, si tu veux manger cette viande, que ne mangeons pas. Si tu veux la manger, il faut pas seulement il ne faut pas seulement euh, faut pas laper la sauce, il faut bien manger, on se que à manger. Il y a des gens qui ne sont ni froids, qui ne sont pas chauds. Et vous les voyez en dehors là-bas, ils ne sont pas différents des pêcheurs. Ils ne sont pas différents de ceux qui acceptent les pots de vin. Ils ne sont pas différents de ceux qui ont les deuxième femmes, même s'ils ont une seule femme à la maison. En principe, mais dans la pratique, ils ont plusieurs. C'est pourquoi il dit, soit vous êtes froid ou vous êtes chaud, sinon je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les chrétiens tièdes sont aveugles, mais ils ne savent pas sont aveugles à leur nudité spirituelle, mais ils ne le savent pas. Ils sont aveugles à leur euh, misère, ils ne le savent pas. Ils sont aveugles à leur pauvreté, mais ils ne le savent pas. Ils sont aveugles à leur délusion, mais ils ne savent pas. Ils sont orgueilleux. Ils ont perdu la concentration du ciel. Ils sont dans le ministère pour les choses matérielles euh, qu'ils peuvent gagner du ministère. Si les choses matérielles ne sont pas là, ils sont hors du ministère. Et à travers eux, le nom de Dieu est blasphémé il y a des lieux où vous allez aujourd'hui, où en ce temps, quand vous conduisez dans la route et les policiers vous arrêtent et vous vous présentez comme pasteur, ils vous respectaient tellement. Mais à cause de la main, dont certains soi-disant ministres et pasteurs ont jeté ce nom, ce nom qui doit être exalté et respecté, honoré, la ils ont vraiment jeté cette non pas leur vie d'impureté. Les gens ne respectent plus ça. Je prie. Comme les gens ne respectent pas, ne respectent plus ce nom, si tu t'attaches à ta foi, le ciel va te respecter au nom de Jésus. J'ai le ciel va te respecter au nom de Jésus. Ne sois pas dans le ministère à cause de ce que tu peux obtenir du ministère. Il ne faut pas voir les choses matérielles. Et tu vois ça comme raison pour être dans le ministère. Ces gens-là qui sont aveugles, ils ne voient pas le besoin de prier. Même après un message, ils ne voient pas la nécessité de prier. Ils sont toujours dans l'affaire de, conduire les autres, de faire la délivrance. Même quand ils font la délivrance, le ciel dit toi-même, tu as besoin de délivrance. Ils font la délivrance et la délivrance le conduit à l'immoralité. Ils font la délivrance. La délivrance les conduit à toucher les parties sensibles du corps de la fille. Ils font la délivrance et la délivrance les conduit à commencer à commettre l'immoralité dans la maison de Dieu. Comment une telle personne peut aller au ciel Et voilà pourquoi en tant que ministre et enfant de Dieu, nous devons prendre la décision de ne pas être trompés et séduits. Ils font pas de ceux-là qui cherchent des démons et font des choses merveilleuses. Et le Seigneur Jésus leur dira au dernier jour, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous ouvriez d'iniquité. Deuxième élément, regardez en arrière et abandonnez la foi. Luc 9, 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, à la charrue et regarde en arrière et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne pour le royaume. Pourquoi tu regardes en arrière Si tu vois une meilleure cité devant toi, et tu vois un meilleur pays devant, si tu vois le ciel meilleur que ce monde, pourquoi tu regardes en arrière Ne savez-vous pas, frère, que très bientôt, nous allons nous reposer de notre travail. Est-ce que vous avez jamais pensé à ceux qui nous ont dévancés Ils sont au repos. Ils sont au repos de leur travail. Ils ont travaillé, mais ils sont partis. Et un jour sur notre tour, et nous irons aussi nous reposer de notre labeur. Pourquoi regarder en arrière 2 Timothée 4, 10. Car Demas m'a abandonné. Et a regardé en arrière. Pas amour pour le siècle présent. Il ne regardait pas vers le ciel, il regardait en bas. Et finalement, il a regardé en arrière. Et il, a, il est parti en Thessalonique, à Crète. Il est parti pour Thessalonique. Christian, est allé en Galatie. Tite en 1 Timothée 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ils regarderont en arrière. Ils abandonneront la foi. 1 Timothée 4.1 Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Troisième élément ici, perdre l'éternité avec le Seigneur pour toujours. Perdre l'éternité avec le Seigneur pour toujours. Écoutez-moi, collègue, homme de Dieu, ministre. Il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. Je pense que nous devons retourner à la Bible. Plusieurs personnes ne sont pas convaincues que lorsque vous êtes né de nouveau, vous pouvez rétrograder. Peu importe ce que vous faites, ils disent que ce n'est pas la grâce. Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Dieu ne peut plus effacer ce nom. Il y a plusieurs prédicateurs qui ne lisent plus de la Bible de nos jours. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui, a dit au pupitre qu'il n'a plus besoin de la Bible, qu'il a le Saint-Esprit. Qu'il a le Saint-Esprit, qu'il n'a plus besoin de la Bible. Et ce sont ces gens-là qui ne savent pas que si vous commettez le péché, votre nom sera effacé du livre de vie. Si vous faites du péché votre habitude, vous vivez dans le péché et vous le confessez chaque jour. Pêchez votre habitude, vous compensez. Dieu pardonne, vous retournez encore à ça. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. de l'éternité avec le Seigneur pour toujours. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Pendant combien de temps Pour toujours. Certaines personnes ont du mal à dire la vérité à leurs enfants. C'était David qui disait à Salomon la vérité. Certaines personnes du mal a dit à leurs enfants, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Certaines personnes du mal a dit à leurs enfants, si vous n'abandonnez ce copain, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. ce sont des enfants et des adolescents. Laissez les adolescents qui meurent dans le péché, ils iront en enfer. Les adultes qui meurent dans le péché iront en enfer. Les personnes âgées qui meurent dans le péché vont en enfer. Voilà pourquoi David a expliqué clairement. à Salomon, si tu le cherches, tu se les vas trouver. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. Il n'y a rien de sauver une fois, sauver pour toujours. Il n'y a rien de pareil. Que vous retombez dans la, la tromperie, vous êtes sauvé. Que vous retombez dans la polygamie, vous êtes sauvé. J'ai eu des nouvelles récemment qu'un homme a quitté sa dénomination pour une raison. Et la raison, c'est que Dieu l'a appelé à prêcher que la polygamie est scripturaire. C'était la seule raison. Alors, il est allé fonder son ministère juste pour propager que la polygamie est scripturaire. Non seulement scripturaire, et encourage les gens. C'était sa raison pour laquelle il a quitté l'assemblée, pour encourager les gens. Et même, il aide les gens à prendre plus de femmes, à multiplier les femmes et à remplir la terre. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la tromperie. Et ils se disent qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours sans compter de l'immoralité, de l'idolâtrie, des fausses prophéties qui spilulent partout, les fausses prophéties. Et, dans les temps où nous sommes maintenant, ayant donné des fausses prophéties par-ci par-là, pour que les policiers leur donnent de l'argent. les pasteurs qui s'engagent dans des fausses prophéties pour que les politiciens leur donnent de l'argent et financent leurs projets dans leurs églises. Je prie que personne ne tombe dans cette tromperie. En Hébreu 10, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra pas la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. En moins quelque chose, quelqu'un aime sa Bible. Ça, c'est la Bible. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu ne vas pas te retirer pour la perdition. Mais nous sommes de ceux qui croient sauver leur âme. Troisième point maintenant, la domination des pèlerins triomphants. La domination des pèlerins triomphants. Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. À partir d'aujourd'hui, je prie que le ciel soit ta recherche. Ils cherchent une patrie. Ils se lèvent le matin pour prier, ils cherchent le ciel. Tu veux dormir dans la nuit, cherche le ciel. Examine ta vie. Si la trompette devait sonner, cette nuit, est-ce qu'il pourrait aller verset 16 mais maintenant ils en désirent meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Trois éléments. Premièrement, la décision des suiveurs convertis. Jean chapitre 6, verset 66. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. J'ai entendu parler d'une assemblée que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vivent encore dans le péché, chaque fois qu'ils veulent quitter, le pasteur plaide avec eux. Reste, reste, reste. Peu importe ce que tu fais, Dieu, Dieu de miséricorde, reste. Et chaque fois que le pasteur prêche contre ce qu'ils font, ils viennent et menacent qu'ils partent. Le pasteur va s'agenouiller pour, pour supplier le millionnaire de l'église. Pauvre pasteur, pitié à lui. Ne sois pas comme ça tu es en train de, de, commercialiser ton ministère. Le ministère est précieux. Le ministère que Dieu, Dieu nous a confié, il est précieux, cher. Nous ne devons pas permettre ça. Venez dans le ministère. Jésus dit, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller Pierre dit non. À qui irons-nous Deuxième élément, la détermination des consacrés et des fervents la détermination des consacrés et des fervents. Acte des apôtres, chapitre 20, 23. Acte 20, verset 23. C'est pourquoi Tellement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avait que des liens, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Ceux qui sont liés pour le ciel je ne fais aucun cas de ma vie. Ceux qui savent, qui sont convaincus, qui ont une meilleure patrie, oh, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Ceux qui ont le rêve de la terre glorieuse, je ne fais aucun cas de ma vie. Ceux dont les affections sont sur les choses d'en haut, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, t'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, quand il a reçu la prophétie qu'on allait le lier à Jérusalem, il les, a, il les a dit quelque chose. Verset 13 du chapitre 21. Acte 21, 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur Vous me découragez d'aller accomplir mon ministère. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Parce que si je meurs, je sais que je vais au ciel. Il avait cette conviction. dernière partie, notre domination avec la conviction. Notre domination avec conviction et avec concentration. En Romains 8, verset 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation, la détresse, la persécution, la femme, faim, la nudité, le péril, l'épée Non, rien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, je suis convaincu, je suis très sûr, je sais, j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul dit, nous regardons pas aux choses que nous voyons parce qu'elles sont temporaires, mais nous regardons aux choses invisibles, les choses qui sont permanentes au ciel à partir d'aujourd'hui, change ta concentration, change ton regard, commence à regarder vers le ciel et les choses terrestres perdront de valeur pour ne pas te lever et prier en ce moment. Et tu vas dire au oh Seigneur, par la grâce de Dieu, je vais regarder vers le ciel à partir d'aujourd'hui. J'aurai les regards sur le ciel. Je veux que tu passes du temps dans la prière. Invoque le nom du Seigneur. J'aurai les regards portés sur les ciel. Les choses de la terre perdront de vue perdront de valeur mes yeux les choses terrestres en dépit. Je regarderai vers le ciel sans, tenir compte des temps d'épreuve, des temps de difficultés. J'aurai les regards sur le ciel en dépit des temps d'épreuve, de tests. Ouvre la bouche et prie. Le ciel est ton objectif, le ciel est ta concentration. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perd sa demeure et s'il perd le ciel Vas-tu faire la course en vain si tu perds ta récompense en ce jour-là, est-ce que tu vas passer l'éternité en enfer Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, ton cœur, ta concentration, ta concentration sera sur le ciel. Que les choses terrestres perdent de vue à tes yeux. Frères et sœurs, ministres, hommes de Dieu, ouvriers, prions et invoquons le Seigneur. Que tu ne dévies pas à cause des choses temporaires. Tu ne vas pas dévier à cause des choses qui t'attire à gauche, à droite. Laisse passer, marche avec Dieu, marche, laisse-les passer. Et les regards portés sur le ciel sans tenir compte de ces temps difficiles. Ne permets pas aux temps difficiles de te faire rétrograder. Ne laisse pas les temps difficiles t'amener à compromettre. Ne laisse pas les choses, les troubles t'amener à compromettre ta vie, ta foi et même ton ministère. Ne laisse pas la pauvreté t'amener à être esclave des riches. face de toi un esclave au financier de ton église. Priez, dit Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder. Je serai concentré. J'aurai les regards portés sur le ciel. Les temps difficiles peuvent venir, mais ne vont pas me détruire. Les temps d'épreuve peuvent être là, mais ça ne va pas me détruire. Les examens ne sont pas là pour détruire les élèves. Les tests ne sont pas là pour détruire. Ça ne peut pas te détruire que ça te forge. Ne peut pas te détruire qui te bâtisse. Ne peut pas te briser qui te bâtisse. Prie-le Parle au Seigneur. Je prendrai position. Je m'affectionnerai aux choses d'en haut. Plus tu montes avec Dieu, plus tu es profond avec Dieu, plus les choses de la terre perdront de valeur à tes yeux. Sois prêt à tout abandonner pour le Seigneur. est quelque chose que tu ne peux pas perdre à cause du ciel? Humilie ta vie. Humilie ton âme. et dit au Seigneur, tout ce qu'il faut pour aller au ciel, je le ferai. Tout ce qu'il faut pour aller au ciel, je le ferai. Pourquoi je vais prêcher en vain Après avoir prêché aux autres, est-ce que moi je serai rejeté à cause des choses mondaines, des profits temporaires que Dieu n'ose Prie et invoque le Seigneur en ce moment. Dis Seigneur, tiens ma main. Tiens ma main. Tiens ma main. J'ai pris la résolution. Que le Seigneur tienne ta main. Rappelle-toi, il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. La grâce de Dieu ne peut pas nous conduire à continuer dans le péché. Abandonnons toutes choses toute tromperie mondaine. Tu as sauvé, sauvé pour toujours, là, sans tenir compte de ce que tu fais. Non, il n'y a rien de pareil. Retourne à la Bible. Retourne à la Bible. Et fixe ton attention sur les choses célestes. Sur les choses célestes. Rappelle-toi, les douleurs ici sont temporaires. Les épreuves ici sont temporaires. Les problèmes ici sont temporaires. Et toutes les afflictions ici sont temporaires. N'aie pas peur, pas, ne crains pas, ne panique pas, ne chancelle pas. Ne sois pas frustré. Ne combat pas pour les choses temporaires. N'aie pas du mal à les abandonner quand ta pensée est focalisée sur le ciel. Le mystère n'est pas question de vie et de mort. Elle les regards sur le Seigneur. Fixe ton attention sur les choses d'en haut. Et tout ce qui, Qu'est-ce que soit ce qui vient ou ce qui ne vient pas, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le Seigneur prendra soin de toi. Fixe ton attention sur Dieu pour que les trésors terrestres, pour que les épreuves terrestres, les problèmes terrestres puissent perdre de valeur et ne soient rien à tes yeux. Il ne faut pas avoir l'hypertension à cause des choses terrestres, l'aïe terrestre, la prospérité terrestre, la richesse terrestre, les gains terrestres, le succès terrestre. Ne laisse pas ces choses arracher ton nom du livre de vie. Ce soir, tu dois prendre une décision de tenir et de tenir pour Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous te remercions. Seigneur, à part de ce moment et par la suite, tourne notre attention vers le ciel. Pour que plus nous regardons vers le ciel, plus mm, que nos pères que nous considérons les choses mondaines comme une vanité. Seigneur, je prie que personne ne perd son âme à cause des choses, à cause des plaisirs terrestres, des trésors terrestres, des succès terrestres et même des succès ministériels. Conduis-nous au calvaire une fois encore et aide-nous à avoir d'objectifs, un but dans la vie. N'allons pas gaspiller notre vie, n'allons pas gâcher notre ministère ceux qui ont déjà rétrogradé à cause des choses temporaires, restaure-les ce soir, ramène-les au nom de Jésus. Amen.